L'auditeur, auditrice des programmes de Studio Kalongo, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec nos confrères des médias de Niamey. Trois sujets au menu ce vendredi, la célébration ce 3 mai 2024 de la Journée mondiale de la liberté de la presse avec pour thème la presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme. Ensuite, la célébration mercredi 1er mai de la fête du travail, zoom sur les doléances des travailleurs nigériens. Enfin, les réunions annuelles de la Banque islamique de développement qui se sont tenues du 27 au 30 avril dernier. Le Premier ministre Nigerien nigérien Ali Mohamed Laminzen Iapipar. Pour décrypter ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Ousseini Issa, il est journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Arimi Yaba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir. Et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir Madame Nafissa. Je suis Nafissa Adam Sirfa, la modération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Ce vendredi 3 mai, le monde célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. Le 3 mai sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Selon les Nations Unies, l'édition 2024 de cette journée est consacrée consacré à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Arimi Abba, je commence avec vous. Alors, pourquoi le choix d'un tel thème selon vous euh, Vous savez, le problème qui se pose, euh, surtout dans le contexte qui est notre, hein, euh, Lequel le Nigérien, mm. n'est-ce pas, mm. et qui est, nous sommes dans un état d'exception aussi depuis, euh, euh, depuis le 26 euh, juillet 2023. il, y il y a lieu de repenser notre métier, n'est-ce pas C'est un tournant, c'est un carrefour où il, y a, il faut toujours s'arrêter, réfléchir sur ce que euh, doit être notre métier, qui est en euh, perpétuelle évolution, euh, mais aussi il y a de plus en plus de nouvelles choses qui viennent s'ajouter. Notre métier est pratiquement, nous sommes vraiment des personnes en fait qui nous résistons beaucoup, mais il faut savoir que on est perpétuellement menacé euh, dans ce que nous faisons comme, euh, comme travail. Parce que chacun aujourd'hui pense qu'il peut être journaliste ou mhm. pense qu'il est journaliste. Euh, d'habitude ça se posait dans le monde du sport où tout le monde peut commenter un match, mais aujourd'hui même en politique, en économie, en tout, euh, dans les réseaux sociaux, dès que tu te branches, quelqu'un qui n'a rien à voir, qui n'a jamais euh, reçu une quelconque formation, qui n'a jamais exercé le métier de journaliste, se prononce sur ça. Et donc, il y a lieu de s'arrêter pour euh, réfléchir. dommage que les... les institutions et structures qui doivent s'occuper de ce travail-là, malheureusement, euh, n'ont encore pas été remis en place euh, la seule maison de presse de la, presse, qui existait est déjà euh, dirigée désormais par les gens du, ministère pour avoir sanctionné les dirigeants les anciens dirigeants de la maison de la presse il n'y a pas de CSC et il n'y a pas non plus de structure vraiment de pair pour contrôler ce que nous faisons et donc c'est le moment, à mon avis, il faut s'arrêter, par exemple, pour ce qui est de notre cas précis, mhm. pour réfléchir sur ce que euh, nous devons faire de nous-mêmes. Mhm. Euh, parce qu'il faut aussi reconnaître que euh, malheureusement, les travers ne manquent pas, même chez les professionnels ou les dix professionnels, parce qu'un professionnel qui ne respecte pas les règles du jeu aussi cesse d'être professionnel parce que c'est l'un des métiers où l'éthique et la déontologie eh, comptent énormément. Mhm. Et ce n'est malheureusement pas le plus souvent respecté, même si c'est toujours rappelé et rendu disponible, mais des gens qui connaissent parfaitement ce que c'est, mhm. même parfois des gens qui enseignent ce que c'est, eh, se permettent de pétiner euh, qui fait. C'est là donc euh, un bref aperçu euh, du paysage, si je peux le dire, du, monde médiatique ici au Niger. Nous allons en venir plus en détail sur cette question de liberté de presse, mais mhm. concernant la thématique de cette année qui a lien avec la crise environnementale mondiale actuelle, qu'est-ce que vous pensez du, du choix du thème C'est surtout le moment qui est propice euh, au vu de la crise euh, environnementale que nous vivons aujourd'hui. On a besoin de comprendre que des hommes de médias s'en accaparent de cette thématique-là pour l'expliquer davantage dans nos secteurs de vie de tous les jours, particulièrement chez la population rurale qui vit euh, de plein fouiller ce, cette transformation-là, ce changement, climatique, mm-hmm. n'est-ce pas, mais qui, euh, malheureusement, je ne sais pas, en tout cas, euh, mais c'est une réalité qui se remet fatalement à Dieu, n'est-ce pas Or, c'est quelque chose que les humains, c'est aujourd'hui vraiment scientifiquement prouvé que c'est ce que les humains sont allés chercher, qui leur arrive, mm-hmm. et que ça ne va pas s'améliorer et les années à venir, mhm. euh, la chaleur que nous avons connue et que nous sommes en train de vivre euh, depuis pratiquement un mois à la fin du mois de Ramadan jusqu'à ce jour, nous ne l'avons presque jamais connu. Même si certains, d'aucuns pensent que c'est aussi cyclique. Nous l'avons, nous avons connu plus ou moins la même chose en 2019. Nous avons connu ça en 2010. Et aujourd'hui, en 2025, bon, c'est 15 ans plus tard, mais on pense que c'est cyclique. Donc, je crois que on doit se spécialiser là-dessus, mm. n'est-ce pas? Et, euh, surtout nos confrères qui travaillent euh, en langue nationale, n'est-ce pas, doivent maîtriser euh, les concepts afin de les expliquer, de rendre compte au quotidien à nos populations qui doivent savoir de quoi il s'agit mhm. exactement. Parce que aujourd'hui, malheureusement, nous avons beaucoup d'eau, mais dans un laps de temps très court, pendant un mois peut-être, tout au plus 45 jours, euh, plus que d'eau que d'habitude, plus d'eau que d'habitude, mm. mais euh, donc, est-ce que le paysan ne doit pas aller mm. euh, chercher des espèces ou des, des, des, des semis précoce, n'est-ce mhm. pas, mhm. de, mhm. l'alimentation qui mûrit et qui grandit vite, qui grandit et qui mûrit vite pour pouvoir vraiment. Donc, nous, notre rôle doit être celui vraiment non seulement de sensibiliser, donc d'expliquer ce que c'est que le changement euh, climatique. D'où l'urgence du journalisme dont évoque donc les Nations Unies. Alors, les impacts de ce changement climatique sont observés au niveau mondial, régional, national et même local, euh, et donc appel à une action collective euh, vous, Abdoulaye, aujourd'hui, quels sont les vrais impacts aujourd'hui Bien que vous n'êtes pas spécialiste des questions, oui, environnementales, mhm. euh, je ne suis pas non plus imprégné de la chose mhm. environnementale. À Armi parlait d'une forte chaleur que qu'on connaît depuis le mois d'avril. Oui, ça, on estime que ça fait partie du changement du, dérèglement mhm. climatique n'est pas sans conséquence aussi bien sur les humains que sur les animaux et le règne végétal. Bon, ben, je crois que nous autres journalistes, nous devons nous spécialiser dans le domaine, nous approcher des spécialistes de la question afin de mieux donner l'information pour que les populations soient sensibilisées et mieux outillées à apprendre, n'est-ce pas, ce changement climatique mhm. pour préserver l'environnement. Mhm. Alors, Hussein Issa, le changement climatique euh, aujourd'hui est une réalité aussi euh, au Niger. Nos États doivent agir. Pensez-vous qu'il, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour euh, amoindrir les effets au niveau État. <laughs> mais ce qui est fait, on a mm. déjà des structures qui sont là, qui sont mm. mises en place, qui mm. font un travail. Mais moi, j'ai dit, le plus souvent, nous, en fait, nous sommes à la périphérie par rapport à la dégradation de l'environnement. Comparé aux pays occidentaux, Là tout ce qui nous arrive, nous n'avons pas grand-chose comme industrie pour polluer l'atmosphère, l'environnement. N'est-ce pas Il y a eu combien de COP moi, j'ai participé à des COP, euh, les, les, réunions mondiales sur l'environnement et tout et tout. La récente COP même des... Oui, bon, ça, j'ai pas, depuis pratiquement Durban, j'ai pas fait un voyage comme ça. Mais ce que j'ai retiens, c'est que, bon, c'est comme si les gens se disent, bon, peut-être on, apprend à se faire peur. Jusqu'au jour où ça va péter ce qu'on est en train de vivre, nous, nous le vivons et de manière euh, vraiment de manière drastique. Direct, oui. Drastique. Quand la production agricole, maintenant les gens sont en train de scruter le ciel pour voir s'il y a des nuages. Il y a des décennies de cela, à un moment déjà, on, voit un peu les nuages et puis il y a souvent même la pluie. Mhm. Et les gens qui vont s'aimer, ils vont en tout cas faire, parce que la pluie va s'étaler sur une période de 2, 3, 4 mois. Aujourd'hui, la pluie peut s'étaler sur une période de 1 mois tout au plus. Arrêt brusque des saisons. arrêt brusque. Et puis, l'année dernière, on a vu un peu les, conséquences. La campagne a été euh, catastrophique, n'est-ce pas Les cours d'eau qu'on a, c'est des cours d'eau qui s'agit. Tous ces facteurs-là, les gens sont conscients. Mais comment faire pour arrêter Tout ce que les journalistes peuvent faire dans ce contexte-là, dans nos pays, nous autres qui ne sommes pas pollueurs, nous ne sommes pas les grands. En tout cas, moi, je me dis souvent, on met ces mécanismes en place, mais ceux qui font les dégâts, c'est les pays industrialisés. Ils sont conscients de ça. Le réchauffement climatique, tout le monde est conscient. Vous voyez, vient de dire, ça fait quelques jours qu'on est dans la chaleur. Hier, pratiquement, la visibilité était nulle. Pratiquement, non seulement il y avait la poussière, la suspension de poussière, mais il y avait une chaleur intense. Les journalistes aujourd'hui doivent continuer à sensibiliser. Oui, les journalistes font ce qu'ils font, Ils font de leur mieux, moi je dis. Mais c'est surtout la disponibilité des spécialistes. Hmm. N'est-ce pas Parce que le plus souvent aussi, je sais pas, le journaliste a bien besoin de donner l'information, mais il faut que les spécialistes, que ce soit dans le domaine de l'environnement, de l'agriculture, de ceci, cela, qu'ils soient disponibles pour pouvoir expliquer quand les journalistes les sollicitent, bien évidemment. Hmm, hmm. Mais le plus souvent, ceux qui sont dans les institutions étatiques, quand vous les sollicitez, euh. ils ne sont pas disponibles pour expliquer parce qu'ils considèrent que ça peut leur ça peut susciter. C'est ça le véritable problème. Mm-hmm. Le journaliste cherche l'information, mm-hmm. il n'a pas un travail particulier à faire. Mm-hmm, quand les spécialistes sont en mesure de dire et de fournir l'information dans les détails, dans les détails élémentaires que les citoyens peuvent comprendre, moi je dis ça peut marcher. Mais Pensez que le journaliste, dans nos contextes-là, même chez les Occidentaux, mm, mm. aujourd'hui, on voit un peu ce qui mobilise les gens, c'est les conflits. Les journalistes, parce que c'est les conflits quand je parle, c'est surtout les conflits. C'est ça qui fait l'audience, c'est ça qui fait vendre, mm, n'est-ce pas C'est les crises que nous vivons, que les journalistes, euh, souvent les médias occidentaux exploitent autrement. Ça en fait, juste pour ajouter un peu, hein, c'est qu'il faut reconnaître que le climat, le changement climatique, a des conséquences sur tous les secteurs de la vie. C'est transversal en ce sens que aujourd'hui qu'on parle de la migration, on parle des migrants du climat, on parle euh, de, de, de changement d'habitude, de crise de guerres qui se font parce que les terres cultivables, les terres qu'on peut exploiter là où il pleut, les gens qui perdent leur maison au fur et à mesure à cause de, de des inondations. Mhm. Donc c'est vraiment transversal. Mhm, mhm. Mais seulement, c'est ce que je suis en train de, de voir avec le changement climatique. Est-ce que, moi j'ai suivi plusieurs formations à Niamey, à Dosso, à Tirabéry, mais est-ce que c'est le bon côté qu'on est en train de prendre Par exemple, qu'on demande qu'est-ce qu'on doit dire à nos populations. Je crois que c'est ça le... Les Mais on est là en train de nous parler euh, d'atténuation. Mhm, mhm. Euh, d'adaptation, peut-être. la question, c'est... L'adaptation, c'est ça ce qu'on doit normalement travailler, à mon mhm, avis. Parce que, comme Hussein a, eu à le dire, les spécialistes nous disent que l'Afrique a contribué pour 4%. Et ça même, c'est à voir. Et des pays comme le nôtre, même en Afrique, du point de vue industriel, on est vraiment carrément à l'écart. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter le mieux possible euh, J'ai fait la route euh, euh, Tawa-Agadez, j'ai vu que la mare de... Abala c'est que J'ai vu vos confrères qui étaient euh, là-bas à, Timia, mais la chute ne coule plus, mm-hmm, mm-hmm. n'est-ce pas Ce sont là donc ça, des, des conséquences vraiment. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que c'est pour, aux décideurs d'agir aujourd'hui Ils doivent beaucoup travailler à mon Merci. avis. Merci. Et, comme je le disais plus haut, le 3 mai sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Et au moment donc euh, où nous célébrons cette liberté, cette journée de la liberté de la presse, des journalistes euh, sont en on peut citer le directeur de publication du quotidien privé, l'enquêteur Idrissa Souman Mega, qui a été placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Niamey le lundi 29 avril. Il est poursuivi pour atteinte à la défense. Ousenissa, quelle est votre réaction mais ce que moi je peux que déplorer. Je ne peux que déplorer ce genre de situation dans un contexte quand même particulier. Parce que ça braque un peu, comment vais-je dire Nous sommes déjà dans un contexte particulier où euh, euh, c'était les événements, les événements oui. Mais maintenant, qu'on se mette à interpeller, à placer sous mandat de dépôt des journalistes, moi je me dis ça fait le. Est-ce que ça remet en cause même la liberté de la presse Ça remet en cause un peu quelque part s'il y a la liberté là, mais bon, la liberté entre griffes, il faut le dire. Parce que ça donne aussi une mauvaise image du pays n'est-ce pas Et c'est ça, des choses comme ça qu'il faut éviter. Si le, le, le mieux, c'est de faire en sorte que, bon, on ne se retrouve pas avec des journalistes dans un tel contexte-là. Hmm. Mais malheureusement, on, est dans une situation où il n'y a pas que lui. Il y a un autre. Il y a Ousmane, Toudou, qui est à la gendarmerie. Oui, on a connu un peu aussi un peu le cas de Samira Sabo qui, qui, a pendant un certain temps été inquiétée. Hmm. Bon, tout ça là, ce n'est pas, en cas, ce n'est pas, ça donne pas une, bonne image euh, de, du pays. Mhm. Ça. Cette arrestation a d'ailleurs suscité euh, l'inquiétude de RSF, même euh, reporter sans frontières, qui voit en cet acte une atteinte à la liberté d'expression au Niger. Abdoulaye, qu'en dites-vous Oui, bien sûr, l'arrestation de notre de nos confrères hein, Toudou qui mhm. est présentement jusque là je crois à la gendarmerie mhm. nationale eh, Soumaïna, Soumana Idriss Maïga, le directeur de publication de l'enquêteur qui a été eh, gardé à vue, interpellé à la PJ pendant 48 heures, puis placé sous mandat de dépôt après avoir été présenté au, à un juge, n'est-ce pas et que depuis le lundi passé, vous venez de le dire à la maison d'arrêt de, de Niamey. Alors, euh, ces arrestations vous savez, je vient de le dire, hein, donne une mauvaise presse, n'est-ce pas, de notre pays et surtout de ses dirigeants au plan national et international. Oui, ah, sans vous couper la parole, euh, Soumana est poursuivi pour atteinte à la défense. Aujourd'hui, euh, peut-on parler, euh, est-ce que le professionnalisme peut être remis en cause, le professionnalisme du journalisme Est-ce que le journalisme a le droit aujourd'hui de se prononcer n'importe comment, si je peux le dire Bon, je crois que... Je crois que le travail du journalisme journaliste, c'est d'abord de vérifier une information avant de la, de la divulguer, de la mm-hmm. publier. Mm-hmm. Et je crois que pour le cas de monsieur le directeur d'éducation de l'enquêteur, euh, euh, Soumane Idrissa Meiga, il s'est surtout inspiré d'un article d'un journal mm-hmm. français, n'est-ce pas, en l'occurrence euh, le, le Figaro. Maintenant, étant attente à la défense nationale, pourquoi on peut peut-être un peu extrapoler en ce sens que nous sommes dans un régime d'exception et que le pays, n'est-ce pas, est menacé de, de, de, toutes parts, mhm. n'est-ce pas, de tous les, de tous les côtés, notamment eh, notre ex-puissance colonisatrice, la France, qui dit eh, dit qu'elle fera de, des pieds et des mains pour déstabiliser le pays. Alors, Qu'est-ce qu'il faut donner comme information aujourd'hui Qu'est-ce qu'il ne faut pas donner comme information aujourd'hui Je crois que le journaliste, il est assez responsable pour donner une information vérifiable, mm-hmm. vérifiée et vérifiable. Mm-hmm, mm-hmm. Quand bien même ici au Niger, la plupart de nos écrits euh, sont des publications de journal, des, articles d'opinion, hein. il, faut, il faut le dire. Or, les faits ils sont sacrés et le commentaire est libre, hein, c'est mhm. n'est-ce pas D'accord. Le journaliste doit donc euh, vérifier, tout vérifier avant, de publier. Mais la liberté de la presse, même avec ces arrestations aujourd'hui, comment faire de cette liberté une réalité aujourd'hui pour terminer, Armi Oui, en fait, hein, c'est par principe. Mhm. Euh, il s'agit de notre métier, de notre euh, travail. oui, là, c'est réglé. Mais je crois que le principe voudrait qu'on dénonce tout simplement euh, ces arrestations. N'est-ce pas, à mon avis, pour son opinion, un journaliste aujourd'hui, au 21e siècle, ne doit pas être tout simplement euh, inquiété. Mm. Il y a beaucoup de voies et moyens, n'est-ce pas, pour euh, on doit oh, normalement l'État doit se mettre dans comment démentir ce que ce journaliste-là vient euh, de, de, dire, n'est-ce pas les Notamment par, ne sont non, moi je pense que non, non, non. Euh, non seulement ça, euh, ça ne rend pas service vraiment à l'image de, de, notre pays, mais aussi, oui, le CNSP quand ils sont venus, ils ont dit que tous les engagements pris par le Niger concernant les droits de l'homme, les droits donc du, journaliste aussi et tout, ils sont à cheval là-dessus, qu'ils sont d'accord avec ça, mhm, mhm. et je crois que que euh, c'est de cela, l'exercice du pouvoir a mhm. euh, ses, règles aussi, mhm. mais aussi souvent on est qui aime bien châtie bien. Mhm, il faut pas croire que euh, tout le monde vous soutient de, de, la même manière. Les gens disent ce qu'ils pensent, n'est-ce pas Et pour à ce qui concerne Soumana c'est une information donnée déjà, comme a eu à le dire Abdoulaye, par un autre média mhm. qui n'a pas été démenti par l'État de Niger, mhm. Mhm. n'est-ce pas, et qu'il a repris, euh, réchauffé et diffusé. Euh, ça à mon avis, il l'a fait de, bonne foi, n'est-ce pas euh, C'est un quotidien, ça ne se gère pas euh, n'importe comment. On aurait tout simplement trouvé le moyen, si c'est faux, de démontrer que c'était faux et puis mhm. avancer dans ce qu'on est en train de faire. Mais le journaliste aujourd'hui a une part de responsabilité pour euh, faire de cette liberté. Aujourd'hui seulement. réalité, on, le sait. On le sait que l'information, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Mhm. on doit toujours juger euh, les pour et les contre avant de diffuser n'importe quelle information mm. parce que euh, ça peut aboutir à plein d'autres choses. Euh, mais déjà, c'est quand même l'un des plus anciens aujourd'hui sur la place. Hein. Merci. donc, je pense que par principe, c'est de le libérer et puis vraiment de trouver les moyens. De, si c'est faux, mm-hmm. c'est faux. Si ce n'est pas vrai aussi, si c'est vrai aussi, bon, voilà. Merci alors pour ces analyses pour ce premier sujet. Nous entamons directement sans transition le deuxième sujet de ce forum de la presse. Le mercredi 1er mai dernier, les travailleurs du monde entier célébraient la fête du travail, une occasion pour commémorer les luttes historiques et les progrès réalisés par les travailleurs du monde entier. À Niamey, plusieurs manifestations ont été organisées par les centrales syndicales. Ces centrales, parmi lesquelles on peut citer la CDT, ont comme de tradition remis leur cahier de doléances à la ministre de la fonction publique. Je reste avec vous, Arimi comment vous appréciez la célébration de cette journée dans un contexte particulier, si on peut le dire, marqué par le coup d'État du 20 juillet le contexte euh, particulier n'a pas servi pour euh, mettre les travailleurs à l'unisson. Euh, ils ont encore une fois de plus, les travailleurs nigériens, montré qu'ils restent divisés n'est-ce pas euh, Peut-être que euh, c'est le pluralisme et que chacun est, était parti s'installer, créer sa centrale mm-hmm. à cause de ses opinions. Mm-hmm. Euh, il faut peut-être leur reconnaître ce droit, mais moi j'aurais voulu, étant donné qu'on sait souvent pour quelles raisons les gens se sont divisés, que au moins dans ce contexte-là, que les travailleurs nigériens puissent hein. faire, voilà, s'unissent, n'est-ce pas, parce que les, les problèmes que les, les, travailleurs nigériens traversent euh, sont les mêmes. Mmh, mmh, mmh. Euh, c'est la modicité du salaire, n'est-ce pas J'ai vu le SMIC, euh, les gens ont partagé dans toute la sous-région, bien que le Niger a augmenté, euh, allé jusqu'à 40 000 par là maintenant, nous restons les derniers n'est-ce pas Nous ne sommes pas, voilà, nous ne sommes pas les plus pauvres. Je crois que ça doit changer. Nous n'avons non plus pas le plus grand nombre de, de fonctionnaires, mm. n'est-ce pas Et ça, c'est vraiment une revendication, euh, je dirais transversale, qui touche à tout un chacun. Il aurait pu se retrouver rien que pour ça. Mm. Euh, ils se sont battus. Euh, ils étaient pratiquement tous d'accord sur l'âge euh, d'aller à la retraite. Mhm. Cela a été, oui, euh, l'État du Niger a accédé, mais c'est des revendications qui les regroupent. Les enseignants qui sont répartis sur plusieurs syndicats, euh, que plusieurs centrales syndicales, n'est-ce pas, ont, les mêmes problèmes, mhm. n'est-ce pas, c'est l'intégration euh, c'est la prise en compte des, euh, des incidences, euh, comment, comment, comment on les appelle Oui, voilà. comment leur, retraite doit être organisée. C'est des choses comme ça et qui sont les mêmes pour tout le monde. Mm-hmm, mm-hmm. N'est-ce pas Je crois que les gens doivent se retrouver, ne serait-ce que pour ça. Pour, et ils étaient sur des histoires de partage de, de, de, de, subventions de mm-hmm. l'État. que Bon, tout ça ne peut pas leur empêcher de se mettre ensemble. S'ils s'étaient mis ensemble, tout l'argent va aller dans une seule cagnotte et la répartition va être beaucoup plus équitable et mhm. tout. Moi, je pense que ça, euh, il ne faut pas se le cacher. les, syndicats ont été touchés par euh, le climat politique qui a prévalu jusque-là dans notre pays et les gens sont encore sur les mêmes chevaux, on dirait. Mhm. Je pense qu'on doit séparer l'intérêt du travailleur et mhm. l'intérêt politique. Euh, Alors, Ousseini, Armi déplore euh, la non-solidarité, si je peux le dire, de certains oh. syndicats et centrales syndicales. Aujourd'hui, euh, quels sont les problèmes concrets du monde du travail aujourd'hui au Niger Mais Armi a tout dit. Hmm. Le problème des de travailleurs, c'est la politisation, l'émiettement des syndicats parce qu'on n'est pas d'accord sur des, petits détails. Mhm. on, se met ensemble, on crée notre syndicat. Dans le même secteur. Alors que c'est les mêmes problèmes qu'on vit. Quand on est émietté, qu'est-ce qu'on peut faire Et quand on voit un peu un peu. Mais alors, c'est quoi Ça arrange quelque part le pouvoir. Mhm. tu sais que même quand vous appelez à une action, c'est pas évident que ça marche. Parce qu'il y a une, frange. Chacun part de son côté. Voilà. Alors, ils connaissent, tous, le, problème des travailleurs. Tout le monde connaît les problèmes. Nous vivons les problèmes des travailleurs nous-mêmes. Mm. Mais malheureusement, ça continue. Ça continue de la même manière qu'on a assisté à une éclosion des partis politiques de cette même manière, on a assisté à une floraison des, des syndicats, pour défendre les mêmes, pour dire pour prétendre défendre les mêmes causes. Et quand on regarde un peu pourquoi ça n'avance pas et il n'y a pas de résultat, parce que tout simplement, les gens sont politisés. En vérité. Ce n'est pas parce qu'ils croient qu'il faut défendre. C'est parce que tout simplement, ils se disent, peut qu'il y a des choses à gagner. On peut être de l'autre côté avec le système en place, où on peut être... On, partout au monde, les syndicats qui marchent, quand on voit en France, quand on voit aux États-Unis, il y a des regroupements qui sont là. Quand ils enclenchent un mouvement, on a connu les mouvements en France l'année dernière. On a vu ce que ça a donné. Mais alors, quand on se met dans une, euh, comment, dans une logique de... Gilets jaune. Gilets voilà. Mhm. On se met chacun dans son petit coin parce que tout simplement, on se dit, on peut aller prendre de l'argent avec la... Il faut comprendre en euh, quand quand y avait l'USN uniquement. Mm. On a vu ce que ça a donné, les luttes. Aujourd'hui, les, luttes ont donné. les gens ont beau, avec des cahiers de doléances, quand vous recoupez les cahiers de doléances, c'est pratiquement les mêmes choses qu'on Ce sont les doléances de l'année dernière qui ont été reconnues euh, l'agence ça arrange de les presse. Pouvoirs, ça arrange les pouvoirs publics. Mm. Parce que quand il n'y a pas de cohésion, ils se disent que même quand vous appelez à une action, ce <clears throat> n'est pas évident que ça donne. Parce que pendant qu'une frange est en train d'observer le mouvement, une autre frange va aller coïncider. Signer. Alors, on a vu juste avant le coup d'État, l'année dernière, mm-hmm. c'était la même chose. Alors, est-ce qu'on doit continuer comme ça Ceux qui ont posé la hein revendication sont à part, et ceux qui sont allés signer l'accord sont à part. Sont à part. Est-ce que ce c'est comme ça qu'on peut défendre les intérêts des travailleurs mm-hmm. Parce que c'est les mêmes problèmes, Arimel l'a dit. C'est les mêmes problèmes, c'est des problèmes de, comment c'est, insignifiance du salaire, c'est les conditions de travail, c'est, c'est un peu, comme avait dit, comme, comme l'organisation, même la carrière et tout et tout. Mm-hmm. Est-ce que les jeunes sont, jusqu'ici, n'ont pas compris que il faut se mettre un temps ensemble pour revendiquer tout ça, pour faire en sorte que le monde du travail, en tout cas, qui est au moins un minimum de, de, de, respect pour les travail mm-hmm, mm-hmm. Mais quand les gens vont rester divisés, avec, il y en a combien de centrales syndicales Je sais même plus, une quinzaine, mm-hmm. une quinzaine centrales syndicales. Il peuvent même pas pour, faire Pour faire quoi Concrètement, pour gagner quoi Pour lutter, pour chercher quoi C'est les mêmes problèmes. Hein. C'est les mêmes problèmes. C'est un peu comme la presse aussi, qui est divisée, politiquement divisée. Politiquement. Alors, alors oui, Abdoulaye, euh, vos prédécesseurs euh, soutiennent que ces, ces, travailleurs doivent s'unir pour une meilleure lutte. Comment ils doivent s'y prendre aujourd'hui pour euh, vraiment lutter pour satisfaire leurs revendications Aujourd'hui, je crois que, Madame la fille, ça, ça va être difficile. Pourquoi <laughs> Pourquoi oui. Pour la seule et bonne raison que quelques petits jours, quelques petites semaines avant euh, la date d'hier qui consacre la, la du, premier, du premier mai qui consacre la célébration du, n'est-ce pas, de la fête, de la travail. du, travail, les, syndic les centrales syndicales ne pas entendus, n'étaient pas sur la même longueur d'ordre par rapport à une appréciation de, Madame la mise de la fonction publique sur euh, la centrale syndicale les plus représentatives mhm. au, C'est un problème qu'ils ont évoqué justement, euh, Alors, or, je euh, rappelle que c'est la représentativité, n'est-ce pas, donc des centrales syndicales reconnues à travers des élections professionnelles en bonne et due forme. Mhm. Dans leur speech d'hier, hein, certains ont délibérément occulté ont passé sous silence cette, euh, cette préoccupation, hmm. pendant que deux ou trois en, ont pris cette, euh, cette préoccupation majeure pour qui il faut nécessairement organiser des élections euh, professionnelles pour qu'on puisse savoir la centrale la plus représentative, n'est-ce pas Et s'en tenir, n'est-ce pas, aux textes qui disent que jusqu'à la jusqu'à l'organisation n'est-ce pas donc des élections professionnelles la centrale la plus résultat de la précédente élections élection hmm, reste l'État demeure en l'État. Ah mhm. Donc aujourd'hui, si certains certains syndicats euh, ont fait l'apologie, ont acclamé la ministre par rapport à cette euh, euh, décision qu'elle a eue après de ce classement, pardon, de ce classement qu'elle a eu qu'elle a eu à faire, je crois que et, pendant que d'autres campent sur cette position que non, il faut respecter les textes, donc je ne vois pas que si l'entente entre euh, les centrales syndicales puisse être, n'est-ce pas, une entente qui est, serait imminente. Seulement, maintenant, nous sommes dans un contexte, n'est-ce pas, donc d'exception, n'est-ce pas, dans un contexte de refondation de l'État. Mm. Les, centrales, les, centrales syndicales ont essayé de faire profil bas, n'est-ce pas, mm. et faire également une certaine, euh, un état de grâce au, CNSP qui, également, il faut le reconnaître et peut-être même le, le saluer, en neuf mois quand même a pu va plus payer les mhm. salaires. Mhm. On a vu la transition. Ça n'a pas été le cas, n'est-ce pas, autant de Wonke, la transition de Wonke qui a duré 9 mois, qui n'a payé, qui a payé 0, salaire. Donc, euh, par rapport à tous ces aspects, je crois que n'est-ce pas, l'entente en tout cas, l'entente entre les centrales fiscales a encore de beaux jours devant, devant elle. Ce n'est pas évident. Chacun ira de son alpha, chacun ira de son côté pour peut-être défendre son intérêt euh, euh, euh, personnel. Oui, vous savez, oui. Moi, je vais dire une chose. Mhm. Ce qui est important, parce que c'est quoi la finalité mhm. On a connu la vie chère avec ces événements, avec l'embargo et tout et tout. Mhm. On a vu quel, le mouvement, en cas il n'y a pas eu de mouvement, parce qu'il n'y a pas de cohésion au niveau des travailleurs, pour pouvoir au moins la de la vie. Ça, ça impacte tout le monde. Quand les gens ne sont pas capables de se mettre ensemble pour défendre, pour que des pressions puissent être menées, on va aller où Quand le riz coûte cher, ce n'est pas simplement le <laughs> simple citoyen, c'est tout le monde qui va en pâtir. Justement, hein, c'est aussi ça le problème qui se pose avec aujourd'hui nos syndicalistes, toutes les centrales euh, confondues, c'est la non prise en compte du problème général du citoyen, mhm. mais aussi euh, vous savez, c'est l'USN et l'USTN qui ont mené la lutte de 90 mhm. jusqu'à mener à la conférence nationale parce que les autres n'existaient même pas à l'époque. Mhm, mhm. Mais c'était seulement deux syndicats et c'était facile de faire les, choses. Mhm, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour X raisons. Dès que l'un part à gauche, l'autre va aller Alors nous, leur souhaitons une meilleure solidarité pour euh, vraiment mener des luttes euh, qui peuvent aboutir à des, euh, comment dirais-je, avancées. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Dernier sujet de ce rendez-vous, le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, Mohamed Ali Laminzen, était du 27 au 30 avril à Riyad, en Arabie saoudite. Il avait pris part aux réunions annuelles de la Banque islamique de développement. Ce rendez-vous a réuni des ministres de l'économie, de la planification et des finances des 57 États membres de la aux côtés donc des représentants d'institutions financières internationales et régionales. Arimi, que peut-on retenir de cette rencontre Quels sont ces enjeux Bon, est-ce que euh, il y a des enjeux particuliers à ça euh, Mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est il faut toujours y être. Vaut mieux y être que ne pas, n'est pas y aller. Et surtout le Premier ministre, il est non seulement un ministre euh, des Finances, mhm. mais aussi c'est un banquier. Mhm. je pense que ça permet au moins de ne pas euh, se faire oublier, mais d'être au fait. Parce que c'est des décisions importantes qui sont généralement prises mhm. et les guichets qui seront ouverts, ça permet de le savoir parce que c'est notre banque à tous, n'est-ce pas, c'est le euh, développement, la banque islamique de développement mhm, qui est présente dans notre pays depuis des années. Voilà, tout à, tout, tout, à fait, mais aussi qui euh, a des avantages. Vous savez, la banque. Euh, islamique, elle est différente de la banque euh, ordinaire qu'on connaît euh, tous, n'est-ce pas, qui ça accorde des avantages qui sont énormes. C'est des considérations qui sont, par exemple, contre l'intérêt et ça nous permet au lieu d'aller ailleurs chercher ce qui est possible au niveau de cette banque-là, bon, on peut aller chercher. Mais aussi, ça, ça permet d'être au fait parce que nous sommes quelque part euh, concernés, nous sommes actionnaires tout simplement, hmm. parce que c'est la banque de tous les États euh, islamiques. Hmm. Moi, je pense que c'est à cela que ça peut servir, parce qu'il faut y être, s'informer de ce qui existe et de ce qui est possible. C'est à cela que le Premier ministre s'est rendu, hmm. et je pense que c'est toujours une bonne chose. Alors, au-delà de ce que Arimi vient de dire à Abdoulaye, euh, ces réunions, on sait qu'elles offrent l'occasion de discuter des moyens de renforcer les relations économiques entre les États membres et de maximiser la coopération avec les institutions financières participantes à notre pays. Que peut-il tirer d'une telle rencontre euh, euh, Notre pays, il faut le dire, revient plus ou moins de loin hein, avec euh, l'avènement du CNSP au, pouvoir qui, quelque part euh, isolé. Et je me rappelle, euh, il y a même eu une réunion, n'est-ce pas, au niveau en Arabie Saoudite où le Niger n'a pas été convié. Il a fallu attendre, n'est-ce pas, la levée des sanctions, la reconnaissance du CNSP par les, les États-Unis pour que le Niger puisse reprendre un peu sa place <clears throat> sur le plan euh, dans le concert des, nations et chaque fois qu'il est sollicité, n'est-ce pas, il manifeste sa présence, n'est-ce pas, à ces grands rendez-vous de données mhm. donner et de recevoir. Cette euh, réunion annuelle, n'est-ce pas, donc de, de la BID, euh, dans laquelle le Niger euh, est partie prenante, c'était peut-être de faire une revue de tout ce que la BID a eu à faire, les programmes et projets, n'est-ce pas, des investissements au plan national, mhm. et voir des perspectives nouvelles. Donc, à Lucie, n'est-ce pas, au cours, n'est-ce pas, de, de cette rencontre, le Premier ministre qui a conduit la délégation, parce que c'est des représentants, des chefs de gouvernement et des ministres des Finances et de l'économie de pratiquement 57 euh, pays membres de mhm. la BID mhm. qui s'étaient retrouvés à, à Riyad le Premier ministre quand même a eu à, a eu à avoir euh, des entretiens, n'est-ce pas, rencontrer de personnalités et également même visiter le fonds saoudien euh, pour le... Et peut-être a mis l'accent sur euh, les relations économiques entre les deux pays. Oui, bien sûr, c'est normal parce mm. que là, je crois, la BID interview au Niger dans 12 programmes et, projets. Mm. La dernière en date, je crois, hein, c'est pas la dernière en en tout cas la dernière émission de la BID, c'est en mars dernier, hein, mhm. entre le 10 et le 15, où une mission était venue pour constater de visu le point de réalisation, n'est-ce pas, des projets et programmes dans lesquels ils intervenaient, mhm. notamment le barrage de Kandaji, où ils ont une, une partie en ce qui concerne la centrale électrique devant venir mhm. de Kandaji à Niamey avec 120, 132 euh, kilo, euh, mégawatts, Oui. Euh, mégawatts. Mhm. Donc, euh, ils étaient venus pour superviser et évaluer, n'est-ce pas, ce que le, la BID a eu à injecter. Alors, à vous comprendre, c'est une d'une importance capitale euh, la participation du Niger à ces rencontres. Alors, il faut le noter que la semaine dernière, tout récemment, même le, Premier ministre était aux États-Unis aux rencontres de la Banque mondiale et aujourd'hui aussi à la rencontre de la Banque islamique, au Issa. Quels sont les enjeux selon vous D'abord, il faut se dire, ah on fait partie de ces organismes-là. On appartient, on est partie prenante de ah. ces organismes. Ah. Naturellement, dès qu'il y a une réunion, on y participe. Inévitablement. En tout cas, s'il n'y a pas une complication quelconque, le pays doit participer parce que le pays, il y a des financements qui sont qui ont été, comment vais-je dire, qui ont été annoncés peut-être, qui ont été décaissés hmm. ou des projets qui sont, à Boulay vient de dire, des projets. Hmm financé par ces institutions-là. Mm, mm, mm. Alors c'est là-bas il faut aller dire voilà comment ça se passe pour voir dans quelle mesure on peut rehausser le montant, peut-être le, le, portefeuille des investissements de, la banque. De... Mais moi je me dis, ce n'est pas, c'est, traditionnel c'est traditionnel. L'année dernière, quand il s'est agi d'aller aux États-Unis euh, pour euh, la, réunion de l'Assemblée générale des Nations mhm. Unies, on a vu comment notre pays a été, parce que tout simplement, voilà, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal, d'aller plaider, dire voilà, et voir dans quelle mesure on peut revoir le portefeuille. Mhm. Ne N'est pas aller, si c'est pénalisé, n'est-ce pas Mais sinon, moi, pour moi, je me dis, c'est carrément une routine. Hmm. Chaque fois qu'il y a une réunion, il faut bien que les pays qui sont membres, tous ces membres-là participent. Et chacun essaie de défendre ses intérêts. Hmm. Maintenant, que ça aboutisse, que ça n'aboutisse pas, c'est carrément une tradition. Moi, je ne vois pas un intérêt particulier quelconque, parce que souvent, même quand les financements sont là, le plus souvent, quand les financements... prendre, c'est un problème. C'est un problème. on peut mobiliser, mais remplir les conditions, les conditionnalités pour pouvoir décaisser ces fonds le plus souvent, ça pose problème. On a vu, on est parti organiser des, comment on appelle ça, des, des, des PDS, euh, c'était sous <laughs> on a annoncé, on a annoncé des milliards et il A annoncé 200 milliards, je me rappelle. Euh, on n'a pas vu. milliards ou 2 milliards. Et puis après, on n'arrive pas à mettre en place parce que les partenaires aussi ont leur contrat, euh, comment ça s'appelle, leur canevas. Mm. Il faut respecter un certain nombre de choses. Mm. Malheureusement, souvent, quand on va, il y a des annonces qui sont faites, mais pour pouvoir faire les dossiers, <coughs> ça devient. C'est valable, valable pour la BID, c'est valable pour la Banque mondiale, c'est valable pour le Fonds du climat, mhm, mhm. n'est-ce pas que les pays africains n'arrivent pas à aller chercher, parce qu'il faut remplir de ces conditions-là euh, que les gens ont vraiment corsé mm. de telle mm. manière que c'est très difficile pour nous de, les remplir. Mm-hmm. On vous annonce, euh, et tout ça, le monde vous écoute. Ça permet d'être informé au moins. D'accord. Alors, euh, merci donc, chers invités, pour toutes ces <coughs> analyses et commentaires et appréciations. Merci donc à Hussein Issa, journaliste indépendant, Arimi Abba, journaliste à la radio et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes donc au terme de cette euh, émission. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes les week-ends dès 17h avec l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA et les forums à Hausa et Zerma à partir de 18h15 minutes. La technique est assurée par Issa Lawali. Je suis Nafis Adam Sirfa, la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.